université bu Thiès dañu xam euh, dafa am image donc nous, étudiants à chaque fois dañuy génne télé pour wax lu ñaaw am lu université mais nous, ne loolu tamit dañu ko war effort gouvernement effort gouvernement université yi cette euh, assemblée pour wax étudiants Martyr lan la nek di def fi ci université bu Thiès parce que xam nañu bâtiment yu bari il suffit nga am bët nga xool da ngay gis que bâtiment yu bari ñu ngi koy tabax donc am nañ bâtiment yoo xamante dañ koy livrer kon ñun ñoo ne tamit loolu bu ko encouragé buñ ko waxee gouvernement bi day tax ne euh, ñi am courage pour ñu continuer di def seen i liggéey. professeur marito Teuw Niane euh, dafa nekkoon invité RFM dafa wax ne que ñoom jël nañ disposition pour fay déjà dégager na enveloppe bu 5 milliards pour fay. Euh, étudiants yu nekk si privé yi te dafa wax ne que étudiants yu nekk si privé yi kenn du leen mus a dàq parce que dafa am collaboration bu baax entre école privée yi ak école publique yi ak ministère bi tamit ak gouvernement bi kon loolu ku nekk nga nga jàng sa xel na dal nga jàng nga xam ne que loolu du mus a am fii Sénégal. jafe-jafe bu gën a tar mooy logement yi. parce que depuis université université est mu chaque année nous recevoir des centaines d'étudiants. les étudiants sont bëri ñu ngi loger ci ville bi te 36000 dafa ndaw pour fay chambre Le gouvernement dafa ñu promettre 1500 lits pour université bu Thiès ba tey tabaxu tabac ñun lu ñu ñaan gouvernement bi malgré effort que ñu efforts di def mais ñi gaaw pour nous tabac campus pour étudier yi mën université ni dans des conditions normales ci loolu tamit euh, fii étudiants yi dañu feebar te du amuñu ambulance loolu ñu ngi ñaan gouvernement bi mu may ñu ambulance fii campus bi parce que étudiants des fois dans nekk si chambre yi di daanu guddi fii université bi dafa enclavé wu dañuy daanu te am taxi dafa jafé kon dañuy ñaan gouvernement bi tamet ñu jàppale ñu ci ambulance pour étudiant moo xamante ne mu am problème am jafe-jafe ambulance bi mën na ko yóbbu lu gën a gaawee et tamit support dafa am solo tey université Thiès amul terrain de football espace bi bu ñu nekk di tabax dafa euh, euh, occuper terrain bi ñu ngi ñaan gouvernement bi tabax terrain boo xamante ne tout tous les sports ñu ngi foofu ay basket volleyball football ñun dañ koy soxla parce que terrain multifonctionnel parce que tey xam naa ne un sain dans dans un esprit sain kon terrain bu amulee man xam naa ne loolu day université gouvernement bi mu gaaw euh, terrain multifonctionnel. Je m'appelle Vieux malandiata je suis le coordonnateur de la LED de Kies. de, La LED, c'est la Ligue de l'élite républicaine pour l'émergence de Kies. L'objet de cette rencontre, c'est de montrer les réalisations du ministère de l'enseignement supérieur, de la et de l'innovation qui sont en train d'être faites ici à l'université de Kies parce que nous avons constaté depuis euh, son arrivée euh, à la tête du ministère qu'il est en train de faire beaucoup pour l'université de Thiès. Donc nous avons jugé nécessaire de montrer ses efforts à l'opinion publique pour que les gens sachent que le professeur Melitonian est en train de fournir beaucoup d'efforts pour mettre les étudiants, le personnel administratif, les professeurs dans de très bonnes conditions socio-pédagogiques. Aujourd'hui, euh, nous tous, nous avons entendu que les étudiants du privé, ils ont des difficultés. Mais avant que le ministre été invité à nouveau de la RFM. il a rassuré que euh, il a dégagé déjà dans, dans son budget euh, une enveloppe de 5 milliards pour, les, pour payer, euh, pour afin que ces étudiants puissent étudier correctement. Il, les a encore rassurés qu'ils ils ne seront jamais euh, renvoyés. Et dans l'histoire du Sénégal, parce qu'aujourd'hui, il y a une parfaite collaboration entre les écoles privées et les ministères de l'enseignement supérieur. Donc il rassure à tous les étudiants qui sont dans le privé d'étudier et de laisser ça entre les mains de l'État. Nous avons un gouvernement responsable, et un gouvernement qui est en train de peser des responsabilités. Je pense que nous n'aurons pas à s'inquiéter par rapport à cette situation. Il y a des urgences à régler. Par exemple, si vous prenez le cas de Caisse aujourd'hui, euh, l'université de Kies grandit de temps en temps. Et nous avons des problèmes de logement. L'État nous a promis 1500 lits et que le président de la République doit lancer ce grand projet de 10 000 cette année, en 2018. Mais nous demandons vraiment que l'État accélère ce projet afin que les campus puissent euh, être construits ici à l'Université de Thiès pour mettre les étudiants dans de très bonnes conditions. Parce que les étudiants ici à l'Université de Thiès, ils logent partout dans la ville. Et vous savez combien de fois 36 euh, 000, ça ne veut rien du tout pour une chambre qui coûte 30 000. Plus son transport, plus ses recherches. Donc l'étudiant là, vraiment, il en a besoin un campus pour être dans de très bonnes conditions euh, d'études et nous demandons le gouvernement, nous, avons, nous, croyons réellement au gouvernement parce que beaucoup d'infrastructures sont en train d'être construites. Donc, euh, si le, gouvernement nous a promis ces 1500 lits, nous, savons nettement que ça sera fait, mais nous devons qu'il le fasse dans les plus brefs délais. Vous savez, aujourd'hui, nous souffrons beaucoup ici. Le, campus de la VSN actuellement regroupe deux UFR et puis ce sont les UFR les plus grands de l'université de Thiès. L'UFR c'est les sciences et technologies et l'UFR des sciences économiques et sociales. Et vous savez très bien que nous n'avons pas d'ambulance et les étudiants des fois ils tombent vu la position de l'université, vu la position du site, c'est enclavé. Les taxis sont rares ici pendant certaines, à certaines périodes. Donc, si un étudiant tombe en ce moment-là en crise, et vous savez, pendant les, moments pendant les périodes d'examen, les étudiants sont surchargés, surmenés. Donc, ils tombent périodiquement en crise. Et nous n'avons pas une ambulance qui est sur place, qui peut circuler à tout moment pour pouvoir évoquer ces étudiants-là en cas de danger et nous demandons au gouvernement, vraiment c'est un cri de cœur que le gouvernement puisse nous aider à avoir une ambulance pour euh, évacuer les urgences. Par rapport à l'infrastructure sportive, l'université de Caisse, les constructions des bâtiments pédagogiques a occupé l'espace du terrain. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de terrain. Il y a des moments où les étudiants jouent dans, dans la cour de l'université. Et vous savez que ça, ce n'est pas, pas joli. Et nous, nous demandons au gouvernement de, de nous mettre en place un terrain multifonctionnel qui permettra aux étudiants de faire leurs activités sportives correctement. Parce qu'on a très bien dit que corps sain dans un esprit sain. Donc nous avons vraiment besoin. Si vous prenez 5 ISEP, parmi les 5 ISEP, oh, les 3 ISEP, on a, nommé des directrices. Par exemple, l'ISEP de Bidjona, la directrice, elle s'appelle professeure Fatoumata Anne. Elle est même professeure à l'université euh, de, à l'université de Ziguinchor, à, à, de Ziguinchor, et vous prenez encore l'université de Thiès, la, euh, euh, Madame Ramatoulaye Diagne est la première femme recteur de, des universités du Sénégal. Vous partez au niveau de l'enseignement supérieur, la DAGE, la direction de l'équipement. Koukoyor c'est une femme. Donc je pense que déjà, on peut dire que le professeur Maître est en train de mettre les femmes dans des grandes instances de décision.